Watamba kunda, xamna ñu makissal baral loxo bi mu defar tamba kunda té kom ñi mam bala wax kom ko toujours man suñu togué fi dima ko wax président Macky jappalé ko moy jappalé sa bop xamna ñu nak kom ni mam bala waxee ñun askan bi lañu gem dañu gem président ak askan bi

autour de son coordonnateur, l'honorable député maire Mambalalo, exprime son entière adhésion aux idéaux et actions du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Macky Sall. Premièrement, considérant les efforts déployés dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, qui ont permis au Sénégal de se placer deuxième au niveau africain et troisième au niveau mondial. Deuxièmement, considérant les nombreux projets, programmes au niveau national, le PIDC, le PIMAN, le BSP, l'ADER, 3 RPT, Promoville, assainissement des deux villes, des dix villes dont a fait partie, 100 000 logements sociaux, etc. Troisièmement, considérant les nombreuses relations au niveau local, 13, 13 km de routes goudronnées, éclairage public, assainissement, formation et financement des jeunes et des femmes, etc. Quatrièmement, considérant votre engagement au dialogue national considérant la formation et l'arrangement du nouveau gouvernement à l'opposition significative pour la stabilité politique et l'unité sociale du pays. Considérant votre attachement au respect des différences sociales et culturelles et religieuses, considérant votre panafricanisme sans faille en plaidant pour une meilleure représentativité de l'Afrique dans les instances internationales, le Conseil de sécurité, Conseil de sécurité permanent de l'ONU, Banque mondiale, FMI, OMC, etc. La coordination départementale de la coalition présidentielle élargie félicite son Excellence le Président de la République, Macky et lui renouvelle son soutien indéfectible. La coordination départementale reste engagés et mobilisés autour du coordinateur départemental pour les séances futures.